le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Bonsoir euh, à toutes et à tous. Euh, bienvenue au Forum de la presse euh, du studio Kalangou de ce vendredi 1er janvier de l'année 2021. Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de mieux comprendre les principaux faits ayant marqué l'actualité de la semaine. Cette semaine, les sujets ayant dominé l'actualité et qui ont retenu notre attention sont le déroulement de l'élection présidentielle à euh, premier tour couplé aux législatives du dimanche 27 décembre dernier et la publication des résultats globaux provisoires en cours en ce moment. Dans la deuxième partie de ce forum de la presse, nous parlerons de cette recrudescence des cas confirmés de COVID-19 et les mesures prises par le gouvernement face à cette seconde vague de nouveaux cas de cette pandémie. Il s'agit essentiellement d'un retour au respect des mesures barrières, mais également de la vaccination de la population dans laquelle l'État envisage d'injecter 75 milliards de francs CFA pour l'acquisition des vaccins attendus au premier semestre de cette nouvelle année 2021 pour euh, analyser ces différents points de l'actualité de la semaine. Nous recevons nos confrères Elage Mohamed Souleyman, journaliste euh, au journal en ligne Niger Inter. Elage Mohamed Souleyman, bonsoir. Bonsoir Michel. Nous recevons également le confrère Hassan Bouka, journaliste à la radio alternative. Hassan Bouka, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Maïmouna Gado, elle est journaliste indépendante. Maimouna, bonsoir. Bonsoir Michel. À la modération de ce forum, Michel Dégé. Débutons par euh, l'élection présidentielle, premier tour couplé aux législatives du dimanche 27 décembre dernier, dont la publication des résultats globaux provisoires sont en cours en ce moment. D'abord, euh, quelle analyse faites-vous de cette campagne électorale de 21 jours ayant précédé ce double scrutin législatif et présidentiel du dimanche 27 euh, décembre 2020, Bonsoir, Michel. Bonsoir pour ce qui est la campagne, vous avez vu, la campagne, euh, ça a été un peu timide. Parce que en fait, la campagne, il n'y a que à peu près deux à trois candidats euh, seulement que moi j'ai aperçus sur euh, pendant ces, campagnes électorales. C'est le candidat donc du PNDS Taraya. Il y a également Seini Omar, pas Seini Omar mais albadi Abouba et à peu près Kishinkasa. Donc, c'est les trois, en fait, que moi j'ai observé. Que vous avez trouvé plus actifs euh, plus pendant, pendant euh, la campagne. Donc, euh, qu'est-ce qui a fait que les autres ne sont pas partis en campagne ou bien n'ont pas, ne se sont pas intéressés donc, à la campagne Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que la campagne a été timide. Ça a été timide comparément en 2016 et aux élections de 2011. Voilà, en fait, l'appréciation que moi je pourrais donner de la campagne de 2020. Hassan Boukar, est-ce le même constat à votre niveau Elle parle de campagne timide. On a vu en action que euh, environ trois candidats. Elle a évoqué Bazou Mohamed du PNDS Tareya, Mahmoud Ousmane du parti RDR Changi et Albade Abouba de Jamhouria. Alors, oui, peut-être que la campagne a été, été timide, en particulier dans la capitale. Euh, pour moi, le fait que euh, Lumana ne présente pas de candidat pour le présidentiel. Mhm. Et une des raisons pour lesquelles la campagne a été timide. Mhm. Mais de façon globale, je pense qu'on a surtout vu le candidat du parti au pouvoir, qui a apparemment plus de moyens que les autres. Mhm. les, photos à l'effigie du candidat du parti au pouvoir étaient présentes un peu partout dans le pays. Donc euh, c'était surtout ce qu'on a pu voir pendant cette campagne. Maintenant, au-delà de ces, images, moi, euh, ça me laisse euh, un goût de déception. Cette campagne, finalement, elle a été beaucoup plus centrée sur des questions périphériques, alors que, au vu de la situation dans laquelle le Niger se trouve, on aurait pu s'attendre à des débats beaucoup plus importants entre les mm-hmm. candidats, même au premier tour. Euh, pourquoi je l'ai dit euh, J'ai l'impression qu'on a mis beaucoup d'énergie, par exemple, sur la question de l'éligibilité euh, du candidat au pouvoir ou de... Du candidat du PNDS. Voilà, ou, ou, ou, du fait que certains candidats ont été recalés. Et finalement, il n'y avait pas d'espace pour faire des débats sur les questions qui intéressent vraiment la communauté nationale. Nous sommes un pays confronté à la guerre depuis plus de cinq ans. Nous sommes un pays qui vit euh, des difficultés dans les secteurs sociaux, notamment dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Euh, il faut rajouter la question de cette pandémie qui a beaucoup de dégâts dans notre pays. Finalement, l'espace qui aurait pu permettre euh, aux candidats de dire véritablement ce ce qu'ils ont comptent faire. projet de Alors, société. on sait déjà ce que le parti au pouvoir a fait, ce que Mamadou Dissou a fait. Alors les autres, finalement, on a entendu un moment des critiques, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils proposent finalement, mm. qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui différemment. Par exemple, sur la question de, la sécurité, on voit que le, le, PNDS a choisi d'installer des bases militaires dans le pays, essuyant beaucoup de critiques, mm. à la fois de la classe politique, de, de la société civile, de nos partis de l'opinion. Alors, les autres, qu'est-ce qu'ils comptent faire mm. Sur une question essentielle comme l'éducation, le diagnostic est déjà posé. Tout le monde dit l'école, ça ne va pas, personne n'est satisfait de l'école. Mais alors, puisque les gens prétendent euh, diriger euh, ce pays, <laughs> qu'est-ce qu'ils veulent faire pour l'éducation le, PND PNDS a dit, il veut allouer le quart du budget à l'éducation, essayer de changer les choses à partir de cela. On sait qu'il n'a pas réussi à le faire, puisque lui-même euh, le reconnaît. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont changer de politique en matière d'éducation C'est des questions qui se posent. On a eu la, la Lausanne en 1998, mais de plus en plus, on se pose la question de est-ce que réellement on sait là où on va dans le secteur de l'éducation. Il y a cette question des contrats, par exemple, qui plombe aujourd'hui l'école, la question de la qualité. C'est toutes ces questions-là aujourd'hui. On vous comprend bien. Euh, le temps, le temps de la campagne aurait plus servir, servi. On aurait dû faire en sorte que ça serve plus à découvrir les différents contenus pour les programmes de ces candidats, alors que vous dites bien que le débat était plus euh, focalisé sur euh, la nationalité d'un des candidats euh, à cette euh, présidentielle présidentielle premier Je pense que c'est vrai, c'est une question, euh, c'est important, mais je veux dire finalement, ça a mhm. éclipsé tous les autres sujets mhm. qu'on aurait pu voir pendant cette campagne, mais moi, je suis resté sur ma soif sur toutes ces questions-là. Merci à vous. Et là, Suleiman euh, Mohamedou, à votre niveau, pendant cette campagne, qu'est-ce qui a le plus marché et qu'est-ce qui n'a pas pu être à la hauteur des attentes euh, des citoyens euh, Je commencerai par rendre grâce à Dieu, franchement, qui a permis que tout se passe, tout s'est passé dans des conditions donc paisibles. Je fais bien les observations de mes confrères, à savoir que véritablement, le débat politique n'était pas à la hauteur, n'était pas du tout au rendez-vous. Mhm. On a voulu justement que ce soit une confrontation programme contre programme. Mm, ça n'a pas été le cas. Euh, et d'ailleurs, je pense qu'il faut féliciter les étudiants. Ils nous ont permis en tant que média, en tout cas journaliste, de suivre vraiment le vrai débat ou maintenant ils vont procéder comme qui dirait par coup des mortaux pour obliger les candidats à leur dire au moins <laughs> qu'est-ce qu'ils proposent. Euh, là vraiment on a franchement à ce moment-là tous ceux qui sont passés, tous ceux qui sont passés à la place euh, absolument tous ceux qui sont passés, euh, étaient obligés justement de mm-hmm. parler des questions en tout cas essentielles qui concernent le pays. Ça, il faut vraiment féliciter. Je pense que cette initiative doit être vraiment, euh, en tout cas, reprise par d'autres structures, en tout cas, dorénavant. Maintenant, Hassan Bouka l'a dit, véritablement, la question du candidat du PNDS, les gens en ont fait un agenda, particulièrement l'opposition politique et d'autres opportunistes au niveau des candidats. Ils, mm-hmm. ont, ils ont fait une fixation. Mm-hmm. Tout se passe comme si mm-hmm. euh, nous ne sommes pas prêts à aller à ces élections tant que l'autre candidat est là. Et on a eu véritablement, euh, avec les élections, effectivement, en tant que telles, véritablement, leur crainte est justifiée mm. parce que au regard justement de l'avance du candidat du parti au pouvoir. Mm. Donc euh, maintenant par rapport euh, à, la campagne en, mm. tant que telle, oui je suis d'accord. Il faut quand même aussi saluer d'autres petits partis. je m'excuse de l'obsession, mais c'est la réalité. par exemple le parti Rana, le parti Sulfou d'Ibrahim Gadou. Gado. Mm-hmm. En tout cas, c'est vraiment, ils ont fait des efforts. Je pense qu'il faut vraiment les féliciter on a vu vraiment leur présence. Et quand on suit même les, résultats, il y a quand même des, de ces petits partis, en tout cas, mhm. qui ont de l'avenir. Et je pense que cela, ils n'ont pas fait que de la figuration. Ils sont venus, le fait de se faire connaître, c'est ça, en fait, ils ont posé déjà des, des jalons. Donc, euh, je pense que véritablement, le seul hic, c'est que le débat d'idées, mhm. le débat politique n'a pas eu lieu, mhm. mais plutôt, euh, on nous a mis dans une euh, euh, la diversion, la délation. Euh, mais je pense que euh, véritablement ce qu'il faut dire, mhm. la politique c'est assez sérieux. Nous l'avons dit sur ce plateau, c'est tellement sérieux la politique, quand on minimise le terrain, on récolte effectivement les conséquences. C'est pas autre chose en dehors des moyens. Je suis d'accord quand on est aux, affaires, quand on contrôle l'État. À l'époque, le MNSDK, il, avait, en 2004 par exemple, il avait le contrôle de l'État. C'est un peu, c'est, on a le, le, le, le résultat c'est l'écart est vraiment énorme. C'est un peu ça aujourd'hui. Non seulement le PNDS contrôle l'appareil d'État, mais aussi le candidat ce sportif était sur le terrain et on a vu véritablement ce, qui peut expliquer le résultat, en tout cas, cet, cet écart vraiment phénoménal entre lui et, les autres, hmm. c'est justement, il était sur le terrain pendant que les autres étaient là vraiment à faire des déclarations vraiment stériles, ou bien en tout cas dans un débat qui, qui, faisait vraiment de la fixation euh, sur un candidat. Mais en, réalité, on se rend compte à l'évidence que euh, euh, le peuple, en dernière instance, en démocratie, le mode de dévolution du pouvoir, c'est les urnes. Mhm. Donc, en réalité, trêve de discussions, lorsque ça n'a pas marché, maintenant, sur le tard, effectivement, euh, on vous comprend bien, le candidat du PNDS a eu plus le temps, lui, de parler. préparer. on, a vu véritablement les tendances. donc, il a été plus sur le terrain. Hein. Nous n'avons pas beaucoup de temps en ce qui concerne les opérations de vote de ce double scrutin du dimanche, euh, selon la cellule de veille électorale du WANEP. Le déroulement, la clôture et même le dépouillement des scrutins ont été satisfaisants, malgré quelques dysfonctionnements constatés. Je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration préliminaire rendue publique à ce se fait à Niamey le lundi 28 décembre dernier. Elle est élue par le président de cette cellule de veille électorale du WANEP, Mustafa Kadi. On l'écoute au micro de Studio Kalango. Les opérations de fermeture et de se sont déroulés dans un climat de sérénité. Tous les bureaux de vote visités lors du dépouillement ont respecté la durée légale de 11 heures. Malgré les quelques dysfonctionnements constatés, la clôture et le dépouillement des scrutins se sont déroulés de manière satisfaisante. Des cas d'incidents d'ordre sécuritaire ont été également constatés par endroits lors des opérations de vote. C'est le cas à Difa où des coups de feu ont été entendus qui n'ont pas eu d'incidence sur le déroulement des opérations électorales. À Tilaberi, il a été remonté qu'une attaque a eu lieu à Our dans le département du Recommandation. Au regard des craintes et défis évoqués, l'ONF e Niger recommande au gouvernement d'ouvrir le dialogue avec tous les acteurs concernés, de créer les conditions favorables à une réconciliation nationale durable, à la Commission nationale indépendante CENI de centraliser et proclamer les résultats globaux provisoires conformément aux résultats issus des urnes. Hassan Boukar, quelle analyse faites-vous de ce double scrutin du dimanche dernier Merci beaucoup. Avant d'évoquer la question de l'analyse, je voulais juste dire un mot, je pense que sur la, sur la campagne. Ce que je voulais rappeler, c'est que pour moi, en fait, la question de l'éligibilité d'un des candidats qui a focalisé le, débat, en tant que tel, ce n'est pas un débat inutile. Mm-hmm. Mais je veux dire, l'espace, le temps que ça a pris n'a pas laissé de l'espace pour les autres questions. Mm-hmm. Donc pour moi, oui, les gens, euh, de lors qu'ils déposent sur la, la base des, des, des, principes de la Constitution et et il, interroge une institution euh, qui est la Cour euh, constitutionnelle. Je pense que c'est un débat qui a peut-être sa euh, raison d'être, sa raison d'être. Mais ça occupe beaucoup d'espace et donc peu d'espace pour le reste. Maintenant, sur le déroulement des élections, mhm. je pense que globalement, moi je craignais surtout les attaques. Hein. Là, il y a quelques cas qui ont été relevés. Il y a une attaque à Ouro voilà, dans le département de Sahel. c'était. Et des coups de feu à des femmes, mais selon. C'était surtout ça ma, Ça n'a pas eu de. Mais voilà, heureusement ça ne s'est pas fait à grande échelle, donc ça a permis vraiment pour l'essentiel aux, gens de voter. Mais sur le déroulement, je pense que globalement, ça s'est bien passé, mmh. peut-être mieux que les, les, locales, pour ce que j'ai pu voir euh, au niveau, de, au niveau de la capitale. Vous estimez qu'il y a eu plus de mobilisation, par exemple Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de monde pour les, pour les, pour aller voter. Je pense mhm. que c'est quelque chose de, tout à fait positif. Mais si les observateurs, moi, voilà les, là où j'ai beaucoup de réserves sur, l'observation. Mhm. Parce que euh, presque tout ce qu'on dit est dit par les observateurs. Il y a à la fois les observateurs internationaux et puis les, observateurs nationaux. Moi, surtout les observateurs internationaux, j'interroge beaucoup leur rôle. C'est-à-dire, euh, nous avons à peu près un peu moins de 26 000 bureaux de vote dans ce pays. Mhm. Alors, des gens qui arrivent, ils observent 40, 50, 100, 100, 100 bureaux de vote, puis ils donnent les cutis d'une bonne élection pour tout le reste. Mhm. C'est-à-dire que vous n'observez pas 1% des bureaux de vote. Sur 25 000, vous n'avez même pas la possibilité de regarder 1000 bureaux de vote. J'ai entendu les chiffres, j'ai entendu des gens qui ont observé 350 bureaux Mais de vote. Mais ils disent quand même le nombre de bureaux de vote euh, où ils étaient présents. Je ne l'ai pas toujours entendu. Je l'ai pas mhm. toujours entendu. Il y a quelques cas dans lesquels ils ont donné les bureaux de vote. Je veux dire, si vous n'observez que 200 ou 300 sur 25 000, mhm. c'est une grande responsabilité de dire tout s'est bien passé. Je comprendrais qu'on dise mhm. là où on a observé, tout est bien. Je le comprendrais bien. Quelquefois, quand je relis des anciennes publications des observateurs, tu as l'impression parfois que les textes étaient déjà préparés. Mhm. Et juste, on fait une mise à jour. Donc, je pense que c'est vraiment une grande responsabilité dans un pays comme le Niger, 1 200 kilomètres km, avec euh, près de 26 000 bureaux répartis sur le territoire. À partir de ce que vous avez pu observer à Niamey et dans quelques localités, à mhm. mon avis, c'est une grande responsabilité de dire tout s'est bien passé pour les opérateurs internationaux, je trouve quelquefois c'est trop osé les conclusions auxquelles on arrive dans les dans les déclarations préliminaires, qu'est-ce que vous avez trouvé d'injuste euh, dans tout ce qui a oh, été dit de façon, de façon globale, quand, quand, vous venez, vous dites OK, on a observé 300 bureaux et que pour nous, les élections se sont bien passées, tout est conforme. Je pense que vous donnez une conclusion assez lourde de conséquences sur un ensemble sur lequel vous n'avez pas toute la matière nécessaire. Là, il s'agit d'un Voilà. Par exemple, pour moi, les observateurs nationaux, je pense qu'ils sont mieux armés parce qu'ils ont suivi tout un processus. Les élections, il y a certes un jour J, mais le processus commence en amont. Mhm. Pour les observateurs nationaux, le seul risque que moi je vois, lorsque vous êtes dans un cas euh, où les élections se passent dans un contexte où vous avez au moins deux camps vraiment totalement divisés, vous avez une crise forte entre ces deux camps-là, il y a le risque que les observateurs nationaux s'allient sur l'un ou l'autre des cas dans leur observation. Mais au-delà de ça, moi j'ai l'impression que les observateurs nationaux ont une meilleure connaissance, ils ont une vision beaucoup plus globale du processus et donc sont à même de donner un jugement beaucoup plus objectif. Pour les observateurs internationaux, franchement, je l'interroge. J'ai d'ailleurs l'impression qu'ils se forment une catégorie d'acteurs dans la sous-région, métier observateur. Vous chassez les élections, vous venez prendre des perdiens, vous êtes à l'hôtel, vous observez 4-5 bureaux, puis vous donnez une conclusion. Sincèrement, j'interroge les conclusions que les observateurs donnent. Il ne faut pas donc euh, se fier à ces conclusions. J'ai toutes mes réserves. Oui, toutes mes parce que je me dis, l'échantillon. ce que vous avez dit, on vous a bien compris. Voilà, l'échantillon n'est pas. C'est bien, c'est bien compris. j'ai Mohamedou Suleiman, euh, selon vous, qu'est-ce qui a, euh, qu'est-ce que vous avez constaté de correct et d'anormal pendant ces opérations de vote du dimanche passé Je voudrais préciser à l'endroit de mon confrère Hassan Boukara. Moi, j'ai eu la mhm. chance d'être observateur euh, de la CDAO au Togo et au Nigeria, en réalité, les observateurs euh, internationaux comme nationaux, ils ont des critères. En fait, ils vont vérifier est-ce que dans le processus électoral, les standards internationaux, il y a un certain nombre de critères. Mhm. Chaque organisation a un certain nombre de critères qu'ils vont vérifier. Et je vous assure que contrairement à ce qui est dit, selon les moyens de, l'organisation, euh, par exemple, une institution comme la CDAO, a les moyens, par exemple, d'envoyer dans toutes les régions du Niger. Euh, dans toutes les régions, maintenant, quand on vient, on fait le briefing. Maintenant, on va vous indiquer ah, s'il y a des zones rouges en termes de sécurité. On ne va pas envoyer les gens dans le nord de Tilaberi, on ne va pas envoyer les gens à Difa parce qu'ici, euh, on ne peut pas mettre en cause, le, en danger, euh, la vie des observateurs. Mais selon ces moyens, l'organisation, en tout cas, est censée envoyer les gens un peu partout. Et je vous assure, quand vous allez en tant qu'observateur, comme je l'ai, on l'a fait au Togo, moi, en tant que journaliste, je viens comme un mhm. reporter. Donc, en plus de. On fait tous les. En tout cas, quand on vous envoie dans une localité, dans des, villages même, hein, vous allez essayer non seulement de, passer dans, dans, les bureaux de la localité où vous êtes, mais également écouter euh, tout ce qui se raconte euh, avec les citoyens. Donc, en réalité, tu es censé avoir la température. Tu rends compte euh, parce que aussi, il y, y, y, y a des bulletins, en tout cas, qu'on que tu vas remplir. Vote. Les moyens. Ce qu'il dit, ce n'est pas un détail, c'est l'essentiel. Évidemment, si vous n'avez que les moyens d'observer dans, une seule localité, vous les faites dans la localité, n'est-ce pas Donc, pour moi, si vous n'avez pas un échantillon représentatif, c'est une conséquence, euh, c'est vraiment une conclusion assez grave de dire tout s'est bien passé, alors que vous n'avez même pas observé le euh, en, nos, par exemple, les téléspectateurs vous comprennent bien, chacun a son point de vue par rapport euh, à la qualité des observateurs, mais également euh, s'il faut euh, se fier à ce qu'ils disent ou pas. Il soutient que les observateurs, ce qu'ils disent, il faut vérifier certaines choses. vous, vous avez plus confiance à ce qu'ils disent mais, en tant que. vous... quand même dire voilà comment ça se passe. quoi. Dans la réalité, euh, il y a des critères qui sont là. Il y a des critères. par exemple, Alhaji Kadi a évoqué par exemple le fait que les 11 heures de vote euh, ont été respectées. C'est important quand même euh, pour un scrutin. mais vous, à votre niveau, en fait, concrètement, qu'est-ce que vous avez trouvé de véritablement bien pendant ce, double scrutin et qu'est-ce qui n'a pas été correct Oui, par, exemple, mm. en tant que citoyen, J'avoue que j'ai vu ailleurs, effectivement, les fichiers biométriques. Aujourd'hui, en a au Niger, vraiment, c'est une avancée. Il va falloir que, en tout cas, les acteurs, surtout politiques, que tout le monde mette du sien pour que véritablement. Parce que je pense qu'en démocratie. on vous a compris, en, démocratie. On vous a compris, vous soutenez qu'il y a eu des progrès en ce qui concerne l'organisation de ce double scrutin, c'est bien compris. Maïmoun Gado, quelle analyse faites-vous de la mobilisation des électeurs pour ce double scrutin du dimanche 27 décembre dernier Et qu'est-ce qui est à la base de ce bilan globalement satisfaisant tiré par la plupart des observateurs nationaux et internationaux euh, ce que je dirais par rapport donc euh, euh, au scrutin législatif et couplé aux élections présidentielles premier tour, je me dis que en fait l'engouement, c'est vrai, il y a eu plus d'engouement que pour les scrutins, euh, les élections locales. Qu'est-ce qui a fait ça C'est parce que tout simplement, les Nigériens ont compris que c'est un droit de vote. Il faut aller élire euh, les, députés, il faut aller élire surtout le président celui qui sera à la destinée euh, du pays. Donc c'est un choix décisif, c'est un choix qu'ils doivent faire. Et ils ont compris que c'est pas en restant peut-être à la maison que <laughs> Dieu choisira euh, un chef d'État pour le Niger quand même, un président pour le Niger. Donc il y a eu l'engouement, il y a eu également la participation massive, je voudrais dire, de la femme aussi. C'est surtout les femmes c'est vrai que les femmes sont même plus nombreuses. Les femmes se sont euh, euh, mobilisées sérieusement pour pouvoir d'abord s'inscrire au niveau donc, du fichier et pour pouvoir voter. Mhm. Donc c'est exceptionnel au Niger. Mhm. Ça veut dire que la femme aujourd'hui, elle est déterminée c'est bien, c'est bien euh, compris. C'est vrai, on n'a euh, pas euh, encore. Je n'ai pas encore terminé parce que j'ai aussi vu des, <laughs> des, manquements. Mhm. Comme j'ai vu que ça a été amélioré d'un côté, mais il y a eu aussi. des manquements. Des manquements, c'est quoi Où on aurait bien voulu que la CENI corrige à, partir donc des, élections locales certaines choses, comme par exemple des bureaux de vote qui n'ont pas ouvert à temps Mhm. Euh, qui, ont été constatés, qui ont ouvert à 11h à midi, comme la fois passée. Des bureaux de vote où il paraîtrait hein, qu'ils n'ont pas pu également euh, respecter les 11 h de temps de fermeture parce que les électeurs étaient normalement devant la porte et quand il y a des électeurs qui attendent encore, normalement, ces électeurs devraient au moins voter. Donc mhm. ceux qui étaient sur place. Mhm on a constaté également que, apparemment, il y a, c'est vrai, la sécurité, mais il y a dans certains centres où il n'y a pas assez de sécurité. Quand vous regardez, on se pose la question aussi de l'attaque euh, de, des jeunes qui ont été emportés au niveau de Galayou. Euh, les gens se posent la question, mais où était la sécurité Comment est-ce que ces gens ont pu accéder à ces urnes Donc, c'est des choses vraiment, je ne dis pas que ça entrave ça a entravé quelque chose pour le mhm. processus. Mais euh, il faut, c'est des choses qu'il faut e, e, essayer d'arranger. Mhm. Et comme l'a dit, je rejoins euh, un peu euh, le confrère aussi, c'est comme si le papier était déjà rédigé et on essaie d'ajuster un tout petit peu mhm. pour venir dire que les élections se sont passées convenablement, en bonne et due forme. C'est vrai, leur, en fait, déclaration, c'est plusieurs pages, <laughs> parfois... Jusqu'à une dizaine de pages. Euh, jusqu'à une dizaine de pages, mais mm. quand, quand vous regardez, c'est à peu près la même chose que les, observateurs disent mm-hmm. dans le contenu. C'est pas en fait euh, la, quantité, mais c'est mm-hmm. la qualité vous avez expliqué, on vous comprend qu'il y a des choses euh, euh, qui, nécessitent, d'être améliorées. Vous avez également parlé de la forte participation, mais il faut signaler que nous n'avons pas encore le taux de participation à ce double scrutin du dimanche 27 euh, décembre dernier. Parlons à présent de la publication par la Commission électorale nationale indépendante CENI des résultats globaux provisoires de ce double scrutin du dimanche dernier qui tombe au compte-goutte depuis lundi. Hassan Bouka, quelles sont les tendances Dès lors qu'on n'a pas les chiffres globaux, c'est mhm. peut-être euh, difficile de, parler des tendances, de, tout ça. Donc, euh, pour moi, euh, c'est peut-être un peu lent, d'autres l'ont dit, la façon dont les résultats arrivent, mhm. mais j'ai l'impression que dans certaines élections, de par le passé aussi, il y a eu des moments où quand même ça a été quelquefois un peu, un peu lent. Mhm. c'est apparemment dû euh, à la distance entre certains centres, comment les résultats sont transportés d'un centre secondaire vers un centre principal. Mais en tout cas, ça laisse croire que c'est un peu là. Bon, alors maintenant, on s'est dit, en ces temps des nouvelles technologies, euh, je ne sais pas jusqu'à quel niveau la, la CINI l'utilise. Normalement, les résultats, ça peut arriver un peu plus rapidement. Ça va mhm. sans doute prendre un temps pour vérifier, euh, n'est-ce pas, l'exactitude des informations qui sont parvenues, tout ça. Mais peut-être qu'on aurait pu, on aurait pu l'avoir un peu euh, avec une vitesse un peu plus, plus, mm-hmm. plus que celle, celle qu'on a aujourd'hui. Pour moi, ça aurait pu être diffusé un peu, un peu mieux. Maintenant, l'autre chose qui est intéressante, quand même, le fait que ça soit diffusé sur les sites de la CENI, oui, à mon avis, euh, en matière de transparence. Par exemple, de Nigériens qui sont hors du pays, ils ont la possibilité de suivre l'évolution, n'est-ce pas, des différents candidats, leur positionnement. Pour moi, c'est quelque chose pour l'instant, je ne reproche rien, moi, à la façon dont les résultats sont diffusés. Merci beaucoup, on vous comprend bien. Alors, euh, euh Elhaji Mohamed Souleyman, les tendances euh, actuelles euh, sont-elles favorables au coup KO souhaité par les partisans du candidat du PNDS Taraya, Bazoum Mohamed Pour le moment, en tout cas, avant de commencer le, euh, ce débat, le dernier euh, regard qu'on a jeté sur le site de la CENI, mhm. euh, Certes, on voit le candidat du PNDS largement en, avance, mhm. mais quand on considère, on regarde les autres candidats, donc quand vous faites une sorte de sommation, vous allez voir que il risque d'avoir justement un second tour il est très probable le second tour, euh, en tout cas sur la base des tendances que j'ai observées. Mm-hmm. Euh, mais il faut quand même reconnaître que progressivement, au fil du truc, euh, on se rend compte qu'il prend de l'avance véritablement. comparé individuellement, maintenant, le truc, c'est la sommation avec les autres. maintenant, en termes de tendances, ça m'intéresse quand même de voir qu'au niveau des partis politiques, euh, véritablement euh, l'écart entre le PNDS et les autres, vraiment, il est encore davantage conforté. Vous allez voir entre le, deuxième, le troisième et le, quatrième, euh, vraiment ce que le PNDS a eu tout seul mm-hmm. pour les présidentielles. Franchement, on se rend compte que véritablement, il y a beaucoup d'efforts à faire véritablement pour composer avec ce parti. Euh, euh, maintenant, au niveau des autres partis, on se rend compte que certains ont reculé. Mhm. Mais il, y a des surprises, par exemple. Euh, les, données sont en train de changer. Il y a des surprises, par exemple, il y a deux partis particulièrement qui m'ont surpris. Le Farila de Alma Omaru, mhm. Barazé de l'ANDP, franchement. Qui sont parmi les dix premiers absolument, actuellement. J'ai trouvé comme c'est intéressant. Mhm. Maintenant, on comprend bien que, par exemple, le euh, Jamhouria, comme euh, entre-temps aussi, deux parties, qui est deux parties sont nées de Jamhouria. En quatrième position. Ah, donc maintenant, le Farla est là. Donc, si, jeudi. si le Farla donc, était avec Jamhouria, on se rend compte qu'il peut être, troisième ou, ou deuxième. Mm -hmm. euh, effectivement, le MNSD donc qui est encore maintenant le père de l'Oumana, mm -hmm. tout mhm. ça, vous voyez. Donc en fait, on comprend véritablement les autres partis ont été, eh, en tout cas, se sont éparpillés. Même ceux qui ont quitté le PN sont allés faire des partis, n'ont pas prospéré. Mhm. C'est un peu ça la difficulté. Je suis entendu que véritablement, on a constaté que, en tout cas, maintenant, il y a des jeunes partis, vraiment, je tiens vraiment à le souligner. Quand j'ai regardé, en tout mhm. cas, certains petits qui viennent de naître, ils ont beaucoup d'avenir. Il faut féliciter, justement. Maintenant, de façon vraiment générale, c'est que je pense que véritablement, il faut se réjouir de voir tout le monde attendre ce résultat. Il a dit, franchement. Hein, euh, la a jusqu'à 5 jours. Il faut quand même souligner, qu'il y a 30 candidats. Mhm. Avant, je pense que on a, la dernière fois, on a, je crois, 16 candidats. Cette fois-ci, on a 30 candidats donc Ça complique la tâche. on vous on n'a pas beaucoup de temps. donc, euh, merci beaucoup. On vous a bien compris. C'est vrai, vous l'avez euh, souligné. Le candidat Bazoum Mohamed est en première position euh, sur la liste justement que nous avons consultée dans l'après-midi de ce jeudi 31 décembre 2020. Les résultats globaux provisoires sont toujours en cours, mais pour qu'il y ait un coup chaos, il ne suffit pas que Bazoum soit en première position. Il faut faudra que Bazou Mohamed ait un nombre de suffrages valables, favorables à sa candidature qui soit supérieur à la somme totale de tous les autres suffrages, c'est-à-dire des 29 candidats, y compris Amadou Boubacar Sissé, qui a été euh, naturellement sur euh, le bulletin unique de vote, bien qu'il avait demandé à ce que ses militants soutiennent le candidat non, ça, ça, de Ça, euh, c'est sont deux. le de Le bulletin a déjà été tiré, on ne pouvait pas refaire le bulletin. Justement, c'est pour donner <laughs> cette précision. Merci beaucoup. Et avant la fin de la proclamation de ces résultats globaux provisoires, il faut le rappeler, on apprend la création mercredi dernier d'une alliance électorale dénommée Union pour la paix et le progrès UPP. Le communiqué de presse qui l'annonce indique que cette nouvelle alliance est ouverte à tous les partis épris de paix, de justice et de progrès au Niger, pour utiliser leurs mots. Les trois principaux candidats qui ont créé cette nouvelle alliance sont Seynou Morou du MNSD Nassara, Albade Abouba du MPR Jamhouria et du général Salou Jubo de Génération Doubara PJP. Pourquoi une telle alliance venant des candidats qui ne sont pas pour le moment membres de la coalition pour une alternance politique en 2021 de l'opposition CAP 2021 Maïmouna Diado. Pourquoi cette alliance euh, Je ne saurais euh, le dire, mais quand même, je vais porter une petite analyse mhm. euh, par rapport à la création. Je me dis que, bon, comme on, se, on dit toujours qu'en politique, tout est possible, mhm. c'est des partis politiques qui sont en train de contester jusque-là la nationalité du candidat, euh, Mohamed Bazoum, donc le PNDS Et c'est des candidats peut-être qui se méfient également de se retrouver au niveau euh, de l'autre front euh, de l'opposition mhm. créé par le modèle Faloumana oh, constitué Cap 2021 constitué des autres. Mhm. Donc il faut émettre des réserves je me dis que ces partis politiques sont en train d'émettre des réserves. Quand vous voyez leur position déjà au niveau du classement, mhm. euh, le MNSD aujourd'hui. Qui est actuellement dans l'après-midi du euh, jeudi, le MNSD euh, est en troisième position. jean Suivi de Jamoury en quatrième position. Nous avons Ibrahim Yakoubou cinquième position. Cinquième position, mais donc ça veut dire que ces deux à elles seules constituent une force quand même. Mhm. Euh, je ne dirais pas pour le, pour le parti du général, mhm. mais je me dis que peut-être euh, il, faut, il faut espérer mhm. en créant euh, cette coalition, mhm. espérer peut-être qu'au deuxième tour, s'il y aura le deuxième tour, parce que là, on ne peut pas se prononcer. Que on peut pas se prononcer. forcément son mot à dire. Son mot à dire si euh, véritablement on mhm. arrive à un deuxième tour. Donc, euh, merci Hassan Boukar. <laughs> Hassan Boukar. pense euh, Quels sont les enjeux d'une telle alliance Je pense que c'est le fait qu'il y ait un second tour. Mhm. Je pense que ce positionnement laisse croire déjà que pour ces acteurs, il y aura un second tour. Mhm. Qui dit second tour dit marchandage avec les différents camps. Ils se mettent ensemble pour être plus forts et pour parler d'une même voix. Et donc, c'est un positionnement qu'il ils ont sans doute des bonnes raisons de se mettre ensemble, mais mhm. je pense qu'on verra, ils finiront par dire clairement qu'est-ce qu'ils poursuivent à travers une telle alliance. Ça finira par se savoir. Je mhm. pense que. Mais le contexte aujourd'hui, le contexte euh, fait que ils ont besoin de, de, mieux défendre leurs intérêts en se mettant ensemble. Mhm. À mon avis, cette alliance a été faite dans la perspective d'un second tour pour les présidentielles. Merci beaucoup. Et que faut-il faire pour que la suite de ce double scrutin législatif et présidentiel premier tour du dimanche 27 décembre 2020 euh, se déroule dans la paix et la quiétude sociale au Niger Et là, j'ai Mohamedou euh, Souleymane. Euh, effectivement, comme l'a dit Hassan Bokal, ces trois alliés, c'est comme des alliés du PNDS Taraya, dont Salut y compris, mm-hmm. tout étant un peu ah, un peu n'a pas de parti avant, mais son parti constitue en tout cas, il a beaucoup d'intérêt dans, le système. Mais un élément d'analyse, qu'on se rend compte que ces, trois, ces deux partis euh, n'ont pas quitté le gouvernement euh, quand il était question d'aller aux élections. C'est seulement les leaders qui, qui, ont quitté le gouvernement. En constituant le gouvernement, ils ont été consultés, ils ont transmis dans, dans le gouvernement. Cela veut dire peut-être que ils sont pour la continuité d'une certaine façon. Peut-être que, comme l'a dit Hassan c'est une, une, belle façon de monter les enchères. Euh, c'est qu'on sait, effectivement en francs et à la CAP 21, il y aura certainement la MRN ou bien une autre nouvelle coalition autour du Bazoum. Donc, vous voyez, cela veut dire que eux, les trois, euh, et comme on l'a dit, euh, dit, parce que je pense que d'une certaine façon, le débat qui, a été créé, cette question-là, maintenant sa gestion, c'est autre chose. Mais je pense que si, au second tour, apparemment, c'est le marchandage, on va voir véritablement, là, les intérêts politiques euh, vont guider les alliances. Mhm. Et comme je dis, c'est toujours au second tour qu'on va voir qui est sincère de l'alliance on le verra alors les prochains euh, jours. Nous édifierons euh, cette nouvelle coalition formée par Seyni Omar, Albade et, PJP Doubara Salojubo. Euh, va-t-elle donc, s'il y a deuxième tour, décider de soutenir la candidature de Bazoum Mohamed ou plutôt celle de Mohamed Ousmane qui est également soutenue par la COP 2021 avec le soutien du candidat empêché euh, par la Cour constitutionnelle à travers son arrêt. Donc, euh, Mahmoud Ousmane, qui est soutenu par l'autorité morale du parti euh, Passons à présent au deuxième sujet de ce forum de la presse qui concerne cette recrudescence des cas confirmés de COVID-19 euh, et les mesures prises par le gouvernement face à cette seconde vague de nouveaux cas de cette pandémie à laquelle le pays fait face depuis le mois de novembre dernier. Il s'agit essentiellement d'un retour au respect des mesures barrières, mais également de la vaccination de la population dans laquelle l'État envisage d'injecter 75 milliards de francs CFA pour l'acquisition des vaccins attendus au premier semestre de cette nouvelle année 2021. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé par intérim, Ahmed Boto, mardi dernier. Il ressort de sa communication que cette phase est plus importante en termes de notification des cas comparativement à celle de mars et avril 2020 pour euh, le seul mois de décembre, par exemple, à la date du 28 décembre 2020, il a été enregistré 1611 cas, représentant 65% euh, des cas enregistrés depuis le début de la pandémie selon les autorités en charge de la santé. Qu'est-ce qui est à la base de cette euh, recrudescence, euh, Maïmouna Gado Et dans le cadre de cette lutte contre la COVID-19 au Niger, euh, on l'a rappelé, est-ce qu'on peut espérer ce vaccin pour très bientôt C'est surtout la négligence des gestes barrières. Mhm. La négligence, en fait, de cette, de, de, des gestes barrières mhm. a amené le fait que il y a cette recrudescence. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les mesures prises... Il y a eu du relâchement. Il y a du relâchement dans les mesures prises par le gouvernement auxquelles les citoyens devraient s'y faire. Bien sûr, ça a été euh, dit par se le ministre de la Santé publique. Maintenant, par rapport au vaccin, qu'est-ce que vous en pensez le, gouvernement a indiqué qu'il y aura 45 à 48 de la population qui sera vaccinée. Oui. Mais moi, j'applaudis. Mhm. J'applaudis cette initiative. 48 mhm. quand même, c'est pas petit c'est beaucoup. Et surtout que déjà nous connaissons les cibles qui vont bénéficier d'abord donc euh, de ce vaccin. Mhm. C'est vraiment. Euh, c'est le monde éducatif. C'est le monde éducatif. Il y a l'armée dedans. il y a les personnes âgées, le, euh, le personnel sanitaire. Voilà. Mhm. Donc je me dis que vraiment. c'est une belle initiative mhm. et nous l'attendons de, pied ferme et nous espérons que comme l'a dit le ministre par intérim, que ce sera la première semaine, trimestre ou semaine, mhm. donc euh, de l'année 2021. Mhm. Nous espérons que euh, ça soit capitalisé. Mhm. Voilà, au bonheur, au grand bonheur de, la population nigérienne. Peut-être qu'avec avec euh, ce vaccin, ceux qui seront vaccinés, il y aura un ralentissement de euh, la pandémie, de la propagation de cette pandémie au Niger. Et surtout, surtout, c'est vraiment d'appliquer les gestes barrières. Mhm. C'est les mesures qui ont été prises. Il faut que les Nigériens accompagnent, essaient d'accompagner le gouvernement mhm. à concrétiser tout cela. parce Parce qu'il y a des mesures. Si nous, les Nigériens, les populations que nous sommes, nous n'acceptons pas D'abord parce qu'il y a d'autres Nigériens qui se disent jusqu'à présent que cette maladie n'existe plus. Mhm. Ça n'a jamais été existé. Donc il faut une prise de conscience. Il faut rappeler que euh, ce projet de vacciner euh, au niveau du territoire national s'inscrit dans le cadre de la facilité Convax, dont 27% du coût est à la charge de l'État du Niger. Ces vaccins pourront-ils mettre euh, euh, permettre de tourner cette sombre page de l'année 2020, durement marquée par les impacts négatifs de cette pandémie. Euh, Hassan Bouka. Ben, je l'espère. Ce qui se passe aujourd'hui en Europe, ce sera une leçon, ce sera aussi une expérience pour le reste du monde. Euh, certains pays comme la Grande-Bretagne ont commencé, ça fait déjà quelques semaines qu'ils ont commencé à vacciner leur population. On verra aujourd'hui dans quelle mesure ceux qui sont vaccinés sont vraiment protégés et dans quelle mesure un pays qui prend ce type de mesures est à l'abri si dans son environnement les autres ne prennent pas les mêmes mesures. Donc il y a toujours cette question-là. Et pour le cas du Niger, je me, demande pourquoi 48%. Normalement, mhm. si vous les faites, vous le faites. Euh, à tout le monde Oui, à tout le monde, j'imagine. Euh, sauf si vous considérez qu'il y a des gens qui sont à l'abri. Mhm. Alors, si, les, gens ne sont pas là. ailleurs, par exemple, pas être le cas. On vous a bien compris. Merci à Bouka. Nous sommes pratiquement à la fin de ce forum de la presse. là j'ai Mohamedou Suleiman, justement, il a évoqué euh, le fait que ce ne sera pas tout le monde qui va être euh, dans cette vaccination, 47-48% de la population. Un mot par rapport à ça pour terminer. Mais je pense même en Occident, c'est pas tout le, tout le monde qui, qui est censé être vacciné. Dans un premier temps, on a subi il vraiment les couches les plus, je veux dire, euh, exposées. Quoi. Euh, maintenant, voilà, on peut que c'est une, étape peut-être. un peu de moins aussi qui se Peut-être. Maintenant, moi, voilà mon message, euh, mon message par rapport à cette question. Il faut faire très attention. parmi les mesures, par exemple, on a dit rapidement on va fermer les restaurants, les comment on appelle ça, mais les bars, peut-être parce qu'ils n'ont pas beaucoup de gens qui ont le, courage de, de les défendre. Mais entre nous, à comparer les, les marchés et les mosquées avec mm. ces. Là-bas, c'est insignifiant. Je veux dire, je veux dire que faisant en sorte que, faisant en sorte que véritablement, on n'arrive pas à ce stade. Par rapport à, cette maladie, il faut éviter de politiser cette, cette maladie. C'est quoi politiser Lorsque le ministre de la Santé avait convoqué la, conférence des presse, les gens ont pensé que on allait décréter le confinement parce qu'il y a des élections. Donc, il faut éviter parce que si c'est mm. nécessaire de, mhm. de, fermer les, mosquées. Je, comprends bien. C'est une dimension politique, c'est <laughs> discutable. Nous allons terminer. Il y a un nouveau, a un nouveau hein. virus, en tout cas une autre variante, qui est née en, Angleterre. Il y a une nouvelle vague, on le sait. très dangereuse. Et déjà chez nous, on voit les personnalités qui sont Ce que dit, c'est que ça peut être instrumentalisé, ça, peut servir de raison pour prendre certaines décisions au moment où les gens sont plus intéressés par les élections. Les mesures doivent être uh-huh. appropriées en tout cas par rapport aux circonstances. Mhm. Plus la situation euh, s'aggrave, plus on essaie de, de, de, voir. Mhm. Donc, euh, disons que tout simplement, les mesures barrières, mhm. faisant attention, la maladie tue, nous voyons effectivement ça tue. Donc, par conséquent, euh, on l'a dit, franchement, on a vu au niveau des élections, on voit notre comportement. nous allons c'est d'appliquer donc les mesures barrières, les par le gouvernement. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangu de ce vendredi 1er janvier 2021. Nous étions en compagnie de nos trois confrères, Hassan Bouka, journaliste à la radio alternative, Maimoune Diado, journaliste indépendante, et Elhaji Mohamedou Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter. À la modération de ce forum, c'était Michel Deji, à la régissant. Seine Saka et à la réalisation vidéo Mustafa Ayouba. Au nom de toute l'équipe, nous disons un sincère merci à nos invités. Merci aussi à vous, chers auditeurs et téléspectateurs des 46 radios et 5 télévisions partenaires du studio Kalangu qui diffusent ce forum. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et surtout bonne heureuse année 2021. Recevez tous nos meilleurs voeux de santé, de paix, de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année qui commence. Bonne année à chacun et à tout le monde. Au revoir.